Nous sommes euh, jeudi 21 mars 2024. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Ali Moukela Ouseni alias Seno et à mes côtés, Fanta Chamsou pour la présentation. La technique d'aujourd'hui est assurée par Mustapha Ayouba et à l'édition, nous avons la grande dame Rahila Toussoumana bonjour. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien et toi Ça va, Alhamdulillah. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin Aujourd'hui, nous allons offrir à nos auditeurs un programme bien garni, comme d'habitude d'ailleurs. Il y aura le flash d'information, le reportage régional, la chronique Lotti avec les femmes du studio Kalangu et la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Adam Sariou. Nous avons prévu également deux nouvelles rubriques spéciales Ramadan, notamment la rubrique Conseil nutritionniste, la rubrique Rose, le conseil religieux pour les jeunes et enfin la recette culinaire. Et comme tous les jeudis, nous aurons l'éducation numérique avec Ousmane Mahmoud. Et oui, aujourd'hui, l'entretien du jour sera avec euh, Abdou Mahamadou Mokhtar. Il est médecin en chef euh, du district sanitaire de Filingué. C'est parti. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il sera présenté ce matin par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta. Bonjour Seno. Bonjour. Alors pour ce matin, le Premier ministre Lamine Zen Ali Mohamed s'est entretenu hier avec une délégation chinoise conduite par le président représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Yuxi. Au terme de l'entretien, le représentant spécial du gouvernement chinois s'est réjoui de la coopération entre les deux pays. Il a fait savoir leur volonté de continuer tous les projets de coopération qui correspondent aux intérêts des deux peuples. Ensuite, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed al Hajousman, a présidé hier la cérémonie officielle du lancement du programme de grande irrigation pour l'année 2024 à Niamey. C'est environ 2000 hectares de nouveaux aménagements qui seront réalisés et 2000 autres hectares existants seront réhabilités pour un coût estimé à 40 milliards de francs CFA. Dans sa mise en œuvre, il est attendu une amélioration de la croissance économique endogène et de l'emploi ainsi que le développement des cultures irriguées en général. Et enfin, selon une annonce ce matin de l'Office du baccalauréat des équivalences des examens et concours du supérieur et les chefs d'établissement, la plateforme pour finaliser les préinscriptions du BTS d'État session 2024 sera ouverte vendredi 22 mars à minuit et sera fermée le lundi 1er avril 2024. Les dépôts des dossiers physiques se poursuivront jusqu'au 8 avril 2024 à 17h à à l'OBEX. Selon le communiqué, la validation du dossier en ligne est conditionnée par le dépôt du dossier physique. C'est tout pour le flash de ce matin. Merci beaucoup Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, la rubrique entretien, ça sera ce matin avec Abdou Mahmoud Mokhtar, le médecin-chef du district sanitaire de Filingué. Oui, Fanta, dans cette première partie, il nous édifie sur le fonctionnement du, district sanitaire de Filingue et aussi euh, de la situation des évacuations au cours des trois dernières années. Il est interrogé par Ousmane Asman, autant pour moi, Bakar, un reportage dans le département à l'occasion du Festival international Tokin Iska. Docteur, pouvez-vous présenter le district sanitaire de Filingué D'accord, le district sanitaire de Filingué a une population estimée à 473 508 habitants, selon eh, une estimation donc, du recensement général de la population donc, de 2012, avec une superficie de 13 678 km. Nous avons une couverture sanitaire de 54,87%. Nous avons un hôpital de district fonctionnel et 28 centres de santé intégrés qui sont tous fonctionnels. Qu'en est-il du plateau technique de ce district Donc par rapport au plateau technique, il y a eu beaucoup d'améliorations, en tout cas depuis que eh, nous sommes là à travers euh, des programmes et projets et aussi d'autres bonnes volontés. Nous avons bénéficié donc de la réhabilitation du bloc opératoire, du service euh, du laboratoire et une extension de la maternité dans le cadre euh, du programme Santé de la reproduction KFW. nous avons également un certain nombre d'appareils, tels que les appareils d'échographie et qui nous permettent en tout cas euh, de faire face euh, à certaines euh, urgences pour pouvoir poser certains diagnostics. Nous avons cinq unités fonctionnelles. Nous avons quelques services de spécialité tels que l'ophtalmologie, donc qui nous appuient aussi dans la prise en charge des malades. Et depuis un certain temps, nous sommes dans une démarche, en tout cas d'amélioration de l'accueil des malades et de la prise en charge de ces derniers-là en ce sens-là, eh, nous avons fait un fort plaidoyer et eh, que je dirais eh, en bonne voie et qui est en train de réussir, en tout cas à travers certaines réalisations qui ont déjà commencé au niveau donc de l'hôpital notamment la construction d'un pavillon d'hospitalisation au niveau donc de la médecine et qui va nous euh, permettre en tout cas de faire face à l'accueil en tout cas des malades puisque qui connaît Finlande par rapport à sa position géographique en dehors même de la population de Filingue qui est dense, nous avons également la population des Abala. Certaines euh, urgences qui dépassent en tout cas leurs compétences, ils sont référés à Filingue pour être pris en charge. Et nous avons également certains malades qui nous viennent de Bani Bongo et aussi de Balayara. Donc euh, c'est pour dire que euh, Filingue constitue en tout cas un centre de référence périphérique en tout cas en euh, matière donc, euh, du système de santé. Et justement, comment se font les évacuations dans ce district Par rapport aux évacuations sanitaires, en tout cas, euh, depuis 2020, nous sommes dans cette démarche de redynamisation du système de référence contre référence. Avant 2020, il y avait beaucoup de soucis. C'était lors d'une assemblée générale, nous avons pris des résolutions et à travers donc ces résolutions-là, en tout cas, ça a permis d'améliorer ce système d'évacuation qui aujourd'hui, en tout cas, constitue vraiment une grande avancée dans le cadre de la prise en charge des malades. je vous dis actuellement, les malades, lorsqu'une évacuation eh, s'impose, en tout cas, les carburants ne constituent plus un problème. À titre euh, illustratif, en 2021, nous avons évacué au total 1083 malades, toutes catégories confondues. Et en 2022, nous avons eu évacué 889 malades. Et pour 2023, bon, là, les statistiques ne sont pas complètes. C'est de janvier à octobre, nous avons eu à évacuer 754 malades, toutes catégories confondues. Donc pour les trois années, au total, nous avons eu à évacuer 2726 malades sur ces 2726 malades, les enfants de moins de 5 ans eh, représentent 284, soit 10,42%. Les cas de maternité s'élèvent à 935 grossesses en difficulté. si la personne a un problème, en cas d'accouchement, ou bien la femme a accouché, et a un saignement. c'est ce genre de malade-là qu'il s'agit et 935, ce qui représente environ 34,30%. Et pour les autres euh, pathologies, nous avons évacué 1507, ce qui constitue environ 55,28%. Donc c'est pour dire que, en tout cas, le système est en vie et ça marche très bien. Avant de continuer, marquons une pause pour le conseil Ramadan. Le prédicateur nous parle ce matin de la conduite à atteindre pendant la deuxième décade de ce mois béni de l'islam. Oui, le mois de Ramadan entre dans sa deuxième décade à partir d'aujourd'hui. Selon le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, le jeûneur doit continuer dans les bonnes pratiques et éviter euh, certains comportements afin de bénéficier des bienfaits de la deuxième décade du mois béni. La première décade c'est une des cas euh, d'exercice. Le fidèle doit s'atteler à l'organisation de son mois. C'est pourquoi il faut s'organiser pour faire un calendrier d'accomplissement des bonnes œuvres, de lecture du Saint-Coran, de la participation à la prière de Traoui, au diable à la lecture du Saint-Coran, mais surtout, et s'organiser au maximum à se faire un frein pour éviter de parler du tout et de n'importe quoi. L'autre aspect, il faut s'organiser en fonction de ses possibilités à venir en aide aux faibles et aux nécessités à partager avec le prophète Mohammed seulement a dit il faut se protéger contre l'effet de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Pour profiter, il faut nécessairement organiser scrupuleusement les règles relatives à l'observation du jeûne du mois béni de Ramadan, du lever au coucher soleil. La deuxième décade, une étape qui a besoin de beaucoup de patience et d'efforts. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà invités, appelés, rappelés يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Ô vous qui avez cru, cherchez secours, cherchez l'issue auprès de Allah subhanahu wa ta'ala avec la prière, les zikr et avec la patience et Allah dit qu'il est avec les patients. Donc il nous faut être patient dans l'obstinence, patient dans les relations avec nos prochains. Le prophète Mohammed a dit, même au cas où on nous provoque, notre réponse devrait être je jeûne, je jeûne, que Allah soit wa à nous assiste. Amin, voilà, c'était les conseils ramadan avec Oustaz Haladou Yahya. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien avec le médecin-chef euh, du district sanitaire de Filengue, M. Abdouma Madou Mokhtar. Dans cette partie, il fait une analyse de la fréquentation du centre et selon ses constats, les femmes sont les plus fréquentes dans les structures sanitaires. Par rapport au système d'évacuation, notamment le niveau d'évacuation, donc euh, sur les 200 et 2726 malades, nous avons essayé de faire euh, une structuration par niveau d'évacuation, puisque euh, la pyramide sanitaire est, bien codifiée. Les CSI réfèrent au niveau de l'hôpital et l'hôpital réfère au euh, vers les centres nationaux, notamment des hôpitaux de référence à Niamey. Les malades référés vers Niamey s'élèvent à 374 soit 13,72%. Donc voilà un peu eh, les statistiques par rapport donc au système d'évacuation sanitaire. Alors, est-ce que les femmes fréquentent ce centre de santé La fréquentation eh, des femmes, en tout cas, on peut dire que c'est vraiment bien. Rien qu'aujourd'hui, le dépistage que nous sommes en train de faire à travers euh, le festival de Dotin Iska, nous avons initié eh, une activité de dépistage donc, euh, du diabète et de l'hypertension artérielle. En deux jours, donc du 29 février au 1er mars 2024, sur les 296 consultations, nous avons eu 110 et hypertension artérielle. Donc c'est vraiment un problème, environ 37,16%. Et sur les 110 là, 75 sont des femmes et 35 sont des hommes. Bon, on s'est dit peut-être que il y a eu assez de femmes qui sont venues consulter que d'hommes. Il faut peut-être une étude pour le prouver. Peut-être aussi que c'est équidistant et qu'il y a eu plus de cas d'hypertension retrouvés chez le sexe féminin que le sexe masculin. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes, en tout cas que d'hommes, qui viennent pour faire la consultation et le dépistage. Par rapport au diabète, pour les, sur les 48 heures, nous avons eu à dépister 78 personnes, donc euh, les le test diabète. Et sur les 78 là, 21 ont une hyperglycémie. Et sur les 21 qui ont été dépistés, il y a 15 femmes et 6 hommes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup plus certainement de fréquentation <laughs> féminine que d'hommes, pas peut-être que la maladie touche beaucoup plus la, femme que l'homme, mais je me suis dit certainement que c'est lié au taux de fréquentation élevé des femmes par rapport aux hommes. Et les femmes euh, fréquentent suffisamment euh, nos centres de santé. Et en 2023, par rapport à l'accouchement assisté, nous avons 48,57%. Donc ce qui représente environ 11 913 accouchements. Donc vous voyez, en moyenne, c'est 992 accouchements par mois. Donc c'est pour dire que, en tout cas, les femmes ne sont pas en marche. Ils viennent, en tout cas, pour se faire euh, consulter, se faire dépister, en vue, en tout cas, de bénéficier des prestations des services de santé. Une dernière question, docteur. Parlez-nous de la situation de la planification familiale d'une façon générale et chez les jeunes en particulier De façon générale, en tout cas, c'est une activité que nous faisons aussi au niveau euh, du district nous sommes euh, à, la file active environ 20% par rapport donc euh, à, la population générale. Et les jeunes aussi, en tout cas, ils viennent pour bénéficier donc euh, de cette planification familiale parce qu'ils connaissent en tout cas l'importance, on les explique l'importance de cette planification familiale pour elle et pour son bébé et aussi pour le mari, pour le mari parce que lorsque on n'a même pas fini de rembourser les crédits empruntés pour le baptême de l'année passée. Si on apprend encore que la femme a une nouvelle grossesse, donc euh, ça peut être euh, un choc pour le mari. Donc vous voyez, donc en quelque sorte, euh, c'est vraiment un bien pour la famille et d'une manière générale pour la population et de façon générale. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique Entretien du jour avec euh, Abdou Mohamedou Mokhtar. C'est le médecin en chef euh, du district sanitaire de Feeling. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique avec le nutritionniste. En faisant le jeûne, les femmes enceintes et allaitantes pourraient s'exposer à des conséquences sur leur santé selon les explications du nutritionniste. Et l'impact pourrait atteindre également le nourrisson ou le fœtus. En tout cas, c'est ce qu'explique Dr Harako et Mohamed lors d'un forum forum isi memo studio Kalangu. Haibo buku wani kan yin gaka wiburaga, a yin ka wiburaga a yin ka izuga. An da mizi ga hamu tina kulu harino, don hunkun burkan ga mai hau, haro kan asi handin. Ya dinno haro dinno ga kwai izozo, wara dagu gundaga. Don da har sigika masal gono k'u ciyase yan wobin bose. sama da har sino boragin fu hal komara gunda da kwai izo hinga muna samun sola gwa gana nan dimo izo kan kango wara inga yi ga zabu don ko cha singudu nwari hannu wara kangana amma beri kanga cina an buri nyon wa gonda sai sande galman parce que haro ka go ga han inga no ko cha go ga han igogun ware fai don ka aga buri digo gingai me hawote imingai ngwari ngwa ambogi di be mo masal gono in izo se wad ingai bumbose manti dole no voilà masala berodaiti vraiment izo se donc vraiment aga boyi hayo imingai hayo matachi hannoza loktore no gani kan me hau sa depend da itaka ga webora bugu webora yan goni kan ga han banu so se ya dumo no nanan jengo ga webora yan na kan deja ifarga nwaro mbo kai goga hayo kuce nanan jengo ga zan kai goga kulcendi di ga me hau isi kan da nwari kuce bumbu sig du nwari Voilà, c'était un extrait de l'explication donnée par le docteur Harako et Mohamed lors d'un forum ici au studio Kalangu. Sinon, on fait une petite pause et on se retrouve juste après pour l'éducation numérique. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Nous sommes jeudi le rendez-vous de l'éducation numérique. Exactement, c'est nous. Et c'est Ousmane Mamoudou, le responsable du département numérique qui s'en charge. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta. Alors, euh, nous avons entendu dire que WhatsApp deviendra bientôt compatible avec d'autres explications de d'autres applications pardon, des messageries instantanées conformément au Digital Market Act. Act, on dit Dema. <laughs> Est-ce que tu peux nous en dire euh, plus Alors effectivement, ce sont les applications de Meta, donc la maison mère de Facebook, qui sont concernées WhatsApp et Messenger, Messenger, la messagerie de Facebook. Donc Meta, en fait, prévoit d'interagir avec d'autres applications de messagerie pour se conformer au DMA. Donc le DMA, c'est le Digital Market Act de l'Union européenne. Euh, alors, le 2 mars, c'est un règlement euh, européen entré en vigueur ce 6 mars et qui vise à euh, réglementer les marchés numériques et à favoriser la concurrence en limitant le pouvoir des grandes plateformes en ligne. Grosso modo, ça va permettre en fait à des développeurs tiers qui n'ont pas beaucoup de moyens de se faire une place dans un espace vraiment très, très dominé par les GAFAM. Donc, les GAFAM, c'est les grosses boîtes tech, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mm, ok. Et qu'est-ce qui serait interopérable Opérable, Alors, dans la première euh, année, l'exigence est pour la messagerie entre les utilisateurs individuels, vous et moi, donc, et le partage d'images, de messages vocaux, de vidéos et d'autres fichiers attachés, donc les fichiers joints entre les, euh, les utilisateurs. En d'autres termes, donc, cette mise à jour, en fait, permettra aux utilisateurs de différentes applications de messagerie de, euh, de communiquer entre eux. Vous pouvez par exemple recevoir ou envoyer directement des, dans WhatsApp ou Messenger des messages de Telegram, de TikTok, de Snapchat et de toutes les autres applications. Donc à l'avenir, ces exigences-là s'étendront à la fonctionnalité aussi de groupe. Vous pouvez aussi créer des groupes, par exemple Telegram directement dans WhatsApp et aux ah. appels téléphoniques aussi. Ça, c'est vraiment cool. Et à partir de quand est-ce que ces changements seront opérationnels alors, les détails exacts du calendrier ne sont pas encore connus, même si on sait que c'est déjà en cours. Mais on s'attend à ce que WhatsApp mette plusieurs mois euh, après mars, donc après la votation de ce débat là au niveau, dont on a, vu que c'était le 6 mars dernier pour déployer la, la nouvelle fonctionnalité. Mais pour le moment, cette fonctionnalité sera principalement déployée en Europe et peut-être plus tard, si on est chanceux, peut-être chez nous. Et il faut avant cela donc rappeler quelques points parce que WhatsApp en fait doit expliquer comment fonctionnera cette ouverture euh, sur le plan technique d'ici le mois prochain. Donc si quelqu'un, si vous par exemple, si Fanta ou Seno euh, veut développer son application et la mm. mettre dans WhatsApp, il, faut qu'il comprenne comment. Mm. Et donc c'est WhatsApp qui doit qui, qui doit expliquer tout ça. Mais il y aura ensuite deux ans pour mettre en œuvre un premier niveau d'interopérabilité. Donc, dans les deux premières années qui vont suivre, tout ce qui est message textuel chiffré de bout en bout entre deux personnes ainsi que le partage d'images, de vocaux, de vidéos ou de fichiers joints d'un groupe vers un utilisateur sera déjà fonctionnel. Mhm. Puis d'ici quatre ans, il devra euh, ajouter WhatsApp, donc devra ajouter les appels vocaux et vidéos mais bon, les choses devraient s'accélérer du côté de WhatsApp puisqu'on sait qu'ils travaillent sur ces questions depuis déjà deux ans. Et qu'en est-il de la sécurité des utilisateurs Alors, la sécurité des utilisateurs est une priorité pour WhatsApp. Ils le savent, bon, même s'il y a des questions autour de ça, les applications tierces devront chiffrer le contenu en utilisant le protocole de signal. Donc, WhatsApp, en fait, est basé sur Signal pour ceux qui utilisent l'application de messagerie mhm. chiffrée très réputée, solide. Donc, ça devrait se baser sur ça. De plus, euh, WhatsApp permettra à d'autres applications d'utiliser différents protocoles de chiffrement s'ils peuvent démontrer qu'ils atteignent les normes de sécurité que WhatsApp décrit dans ses directives. Donc, si vous, avez votre protocole à vous qui est sécurisé, euh, bah, il, va falloir le démontrer à WhatsApp. S'ils sont d'accord, ils vont vous intégrer. Hmm. Mais quand même, il existe des risques euh, associé à cette ouverture par rapport à une application qui est fermée, qui est entièrement contrôlée par son propriétaire, euh, où l'inconnu est, est, assez réduit. Donc il n'y a pas de doute, les utilisateurs seront vraiment impactés. Mais comment Alors, le média Wired, donc, qui est un média spécialisé dans, sur les sujets tech, a interrogé Dick Brower, donc, qui est le directeur de l'ingénierie chez, chez WhatsApp. Et donc ce monsieur souligne que WhatsApp s'aventure vraiment en terre inconnue. Parce que chez WhatsApp, on se pose plein de questions. Par exemple, comment les utilisateurs de différentes messageries seront-ils identifiés à l'intérieur de WhatsApp puisque on sait que WhatsApp euh, utilise les numéros de téléphone comme identifiant, tandis que d'autres applications comme Trima, une application de messagerie suisse par exemple, attribue des identifiants à huit chiffres, donc pas, pas, pas, pas question de numéro de téléphone. Et même si d'autres messageries se connectent à WhatsApp, euh, reste à savoir si cette interopérabilité euh, sera réellement adoptée par leur communauté. Donc vous et moi, est-ce que les gens finalement iront, euh, vont adopter ces, nouvelles manières de faire où chacun, est-ce que chacun va, préférera continuer à discuter dans son propre univers qu'il connaît. Donc, en tout, état de cause, cette ouverture imposée à Meta et à ces deux services ne va pas produire ses effets dans l'immédiat. Mhm. D'autant euh, plus qu'aucune messagerie n'a encore manifesté sa volonté de se connecter à WhatsApp. Et Wired a d'ailleurs interrogé 10 services de messagerie dont Google, Viber, Telegram, Signal, et la majorité n'a pas donné suite. Snapchat, Snap par exemple, et Discord, eux, hmm. n'ont pas souhaité faire de commentaires dessus. Hmm. D'accord. Alors, y a-t-il d'autres services de messagerie concernés par le DMA Alors, pour le moment, il n'y a que les services de Meta, donc WhatsApp et Messenger. Alors, bah, le sort d'e-message, donc e-message, en fait, il y a aussi la messagerie d'Apple qui est très très connue dans le monde, euh, reste en suspens parce que Apple a joué la carte de la taille restreinte de son service euh, en Europe pour éviter une telle exigence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Ousmane. <laughs> J'ai pas été trop long, j'espère. non. Alors, euh, chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous faites pas, euh, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web euh, www.studiocalangou.org. Alors, Fanta, c'est l'heure de faire un tour en région. Oui, c'est non. L'écho des régions d'aujourd'hui nous amène à Tawa, précisément dans le village de Mozague, où le problème d'accès à l'eau dans cette localité est au centre des discussions. Oui, le village de Mozague, situé dans la commune de Tessawa, département de birni région de Tawa, il est confronté à un problème d'accès à l'eau potable. Ce village qui compte environ 6000 euh, âmes et cette situation les expose à toutes les maladies hydriques. Cela inquiète les habitants. Reportage signé Asuman Moussa Arzika. A garin Geda da ke cikin commune en tsannawa, kuma ke da tazarar kusan kilomita 25 da gundumar birnin kwanni mutanen garin da yake fama da matsalar ruwan sha sakamakon musamman karamcin rijiyoyi na shan ruwa da kuma famfuna wannan yasa mai garin na motsage yi muna karin bayani dangance da irin matsalolin da suke karo da su musamman ma a fannin lahiyar al'umma wannan yanki matsalar ruwan sha haka nan muna fuskantar da saboda rojin da dai an kai muna ba su shayuwa ruwan ba su da daɗi kuma suna tare da kyallai bayan haka ga yanzu da muka magana ga da kai cikin hadama mata na can duk sun bar gidajen suna can wurin bidan ruwa komi dare kuma yanzu ruwan eh, murtsacen da muka yi na na aikin rani shine muke ɗebowa shine muka fomfe mu kawo musu in dare yayi kuma waɗanda ba su da halin su ɗauko kamar suna da sharat ko wani abu ba su da hali suke tsaya da kansu cikin wadama komi dare kana jin motsi zuwa da komowa na mata da yanzu ruwan da muke sha irin rojin da nake maka yanzu muna ɗiba ruwa an kai ruwan fadama kenan su rihi kuma ruwan nan na fadama da dauɗa su da komi su ne zamu ɗauko mu sha shi yasa ko da yaushe akwai matsalar fitsarin jini akwai matsalar amai akwai matsalar zawo duka waɗanga kasan in ruwa ba su da kyau sai an same su ganin famar da suke yi na nemo ruwan sha domin yin bukatostinsu na yau da kullum shi ne yasa mutanen garin kira ga gwamnati da masu hannu da shuni domin kawo ƙashen wannan matsalar da suke fama da ita. Gudana mun yi kan kogi hattawa kai hayya mai mun yi bida idon sani mun kusance su Allah har yau dai bai samun ka dace ba. Amma muna cikin nema kuma muna fatan gwamnati ya kula da mu. A nasu bangare su ko mutanen garin Musage sun yi muna ƙarin bayani ne dangance da musamman irin gwagwarmayar da suke sha na nemo ruwan sha a cikin garin. Muna sa ai mana kwakwara ko murtsatsi ko kwanhuna. Eh, mu kama gana arka ne muna jijjibi mu a wahala wurin bidan ruwa. Kana aiki sai ka aji sai ka ta wurin bidan saboda babu su. kwasa-kwasa yanzu haka ma matsalar da gare mu ruwan ni na muka duka su yi ta hwada su yi ta hwada da mu su ce ina ma mu ko babu babu ruwan na duka duka babu ruwa na ganin abin su suna bai nan na muka samu a dan dokuwa to matsala ka akwai ta gari mu ta rashin ruwan sha in lokaci yayi ka rani yayi rani bakin matsala bakin wanda muke da ita ta rashin ruwan sha. Eh kawai lokacin ga kuma sannan ruwan ruwan ga na kasar maka sha kuma akwai matsala a gare su dan kasanta gare su. Eh ta ya sa diyan mu tsarin jini kai hamu ma uwaye akan ruwan ga na kasa. To gabata ka in mun samu sauran da muka son samu a taimake mu da ruwan sha. To gaskiya ba mu da ruwan sha isasshe. Dan wallahi gaskiya muna da matsalar ruwan sha. Dan kaga yanzu an ce ba ko da damana ta sabka game da takin gada aka watsa a cikin hadama da abin gashi na tsakanin tumatir da albasa hakukuwan in lokaci yayi za ga ruwa sun ɗauki wani tsawon washar in ma ka shiga cikin su kai kai kai wani shiga cikin kana kaikai kaga wannan ko dole ala dole haka na suna muka sha ba mu da ruwa rijiya wanda zamu sha ga tawar da ta kamar ma da muka sha ruwanta da noma nan dan gidan noma motsa girno ba mu da rijiya da muka sha ga tawar da muka sha ruwa gaskiya muna matsalar ruwan sha da son samu ne muna so a taimaka mana da furaji na ruwa Eh, Merci Yasuman Arzika pour ce reportage. On fait d'ailleurs un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent à Ottawa via les radios Takarkara de Bouza et Saraunia de Madawa. Maintenant, place au sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Alors Adam, partons tout de suite en direction des au Maroc où notre équipe nationale de football séjourne pour préparer la journée FIFA. Eh bien, comme annoncé hier, le MENA national prépare ses deux rencontres amicales contre le Togo demain, ensuite contre les Étalans du Burkina Faso le 26 mars prochain. Nous avons joint le sélectionneur adjoint Zakariaou Ibrahim au téléphone à la veille de cette rencontre. Quel est l'état d'esprit du groupe On l'écoute. Nous préparons les joueurs dans un contexte assez particulier parce que c'est le mois de Ramadan. Néanmoins, vraiment, les joueurs sont très motivés parce qu'en fait, on s'entraîne le soir à partir de 22h heure de, de, Rabat, donc 23h euh, heure de Niamey. Donc euh, pour cela, en tout cas, vraiment, il n'y a aucun problème. Les conditions sont vraiment bonnes, acceptables parce que nous nous entraînons sur une bonne pelouse. L'état d'esprit est bon, les gens sont sereins, on travaille vraiment avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et c'est ça le plus important. Il y a des nouveaux joueurs, bien sûr, qui ont été sélectionnés par le nouveau sélectionneur, des jeunes talents ils sont venus en tout cas euh, pour le moment, tout se passe bien. Ils sont intégrés facilement dans le groupe. Nos objectifs sont, très simples pour les deux rencontres, c'est de gagner les matchs. En dehors des objectifs que nous sommes assignés par rapport à ces deux rencontres, en dehors du score, c'est vraiment d'asseoir euh, une philosophie de jeu sur laquelle euh, nous allons nous baser pour les échéances à venir où vraiment c'est des matchs officiels où il faut nécessairement gagner les matchs. C'était Zakariaou Ibrahim, joint au téléphone. Alors, euh, Adam, pour finir, partons à Filingué pour découvrir une discipline peu connue sur le territoire national. Il s'agit de la lutte Touareg. Eh bien oui, la lutte Touareg de Bonkoukou ou Tubila, de son vrai nom, dans la région de Tilaberi. Elle se pratique après les récoltes dans la localité de Filingué à l'occasion du festival d'Okin Iska dans qui s'est déroulé du 29 février au 3 mars. Notre reporter d'image Asman Aboubakar a rencontré Idi Messamari, membre de l'organisation. Il nous explique les règles de cette lutte. Et shi wani bangare akwai wani hukuma wadda ba irin wacce ta fara-fara ba don muna son ta shiga cikin tarihi samu da cikin competition ana wallafa ta kaɗan kaɗan har ta kai inda wurin ta takobi mu zan zuwa da ita in akwai rayuwa ka'idodinta su ka'idodinta ya goyi na aka sa ka a ɗarma ya goyi mutum ko ne ma nan ka ma nan ka kama tau in kama taka yanna shi arbiti ce maka ga shi ka shirya na shirya sai a ɗoka su fannin su ka'idodin su na ɗai akwai ɗoka yan ka ɗauki mutum sama a sako shi in yi reren ko bai faɗo da yare na haka ya wallaka ya faɗo akwai fanni na buyu a ɗauki mutum a ɓako shi da ƙasa ya faɗo akwai fanni na buyu na uku shine in yi ran ƙasa ka san tsayin yanzu ko na ran ƙasa ka san kamar na ta faɗo kenan haka ne da aka su ka'idodin su ba irin wanda zamu ta ba a ce sai an ɗauki mutum an taushe an murji a su ka'idodin su da tsayin ana kare mutum Chers auditeurs, c'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous de découvrir la star du jour. Bien évidemment, il s'agit de la rubrique portrait d'aujourd'hui. Nous allons à la rencontre d'un jeune artiste slammer. Il s'appelle Oga le slammer. Voici son portrait avec Ismaël Adjibou. Oga le slammer est un fruit du village d'enfants SOS e de Niamey. C'est cette orphelinat qui les a accueillis avec son frère Jimo depuis qu'ils étaient nourrissons. Donc on a perdu notre mère à notre naissance et c'est après une semaine de, son décès que SOS Village d'enfants nous a accueillis. Donc depuis 1995, nous étions à SOS Village d'enfants euh, où nous avons bénéficié d'une éducation euh, de la santé et aussi de l'alimentation. En tout cas, on a manqué de rien à SOS Village d'enfants. Après son école primaire, le jeune slammer a erré dans la ville de Niamey à la recherche des petites activités pour survivre. Ce jeune engagé a débuté le slam ou l'art griotique depuis bientôt sept ans. Je pavanais dans les rues de Niamey, je partais au Grand Marché, je faisais l'eau de cœur, je partais à Rimbo aussi. Et parfois je dormais à Rimbo, parfois je suis un peu vers euh, CG11 pavé. Je me suis réinscrit à l'école moi-même parce que je faisais des petits boulots, je travaillais aux stations de service. en tout cas, je faisais tout genre d'activités génératrices de revenus. Après l'école primaire, Oga le Slamer a quitté le village d'enfants. Ce fut une période de grandes difficultés, car selon lui, il n'avait pas de famille pour le soutenir dans la suite de son crisis. et il trouve un autre plan. J'avais le BPC, je voulais avoir un bac pro pour pouvoir aller dans l'armée. Parce qu'avant, j'avais ça en tête, aller dans l'armée pour pouvoir vraiment me caser avoir euh, un salaire. C'était ça mon objectif parce que je souffrais beaucoup. Amoureux de l'art de son jeune âge, Oga improvisait des pièces théâtrales et écrivait des petits textes poétiques pour animer les activités culturelles de l'orphelinat et c'est dans le but de distraire ses camarades orphelins. J'aimais l'art depuis l'orphelinat, je faisais l'art. J'étais un bon acteur en tout cas depuis l'orphelinat, depuis le bas âge. Quelques années plus tard, c'est ce qui l'a motivé à emprunter la voie de l'art. Comme tout acteur culturel, Oga a rencontré pas mal d'obstacles sur son chemin. Mais pour moi, ce ne sont, pas des, ce sont pas des difficultés, c'est des expériences qu'on est obligé de vivre, de, de, de vivre, d'écrire et parfois raconter. quoi. J'ai la chance que beaucoup n'ont pas aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir des parrains, des relations en tout cas qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Je pense que je suis le slameur qui a le plus voyagé parmi tous les slammeurs. Ça, je veux le dire à tête haute. J'ai fait 14 pays, plus de 25 festivals à travers l'Afrique. J'ai pas été hors de l'Afrique, mais à travers l'Afrique, j'ai fait beaucoup de voyages parce qu'aujourd'hui, même dans le domaine humanitaire que je suis, c'est grâce à l'art, hein, c'est parti d'une prestation. J'avais fait une prestation à une organisation que je vais taire le nom. Et après, les, dirigeants ont aimé, ils m'ont donné leur carte de visite. Et moi, quand tu me donnes ta carte de, visite à là... Moi, c'est pour teaser une relation, donc j'ai tissé des relations, qu'elles soient. Je, suis en train de construire un chemin professionnel parce que il n'y a pas que l'art dans la vie, surtout que l'art ne nourrit pas son homme. Ça, il faut le dire, hein, ça ne nourrit pas son homme. Moi, j'ai fait des voyages, mais parfois je reviens d'un voyage et n'ai aucun franc dans ma poche. Malgré sa passion pour l'art, le slam, Oga le Slamer a décidé aujourd'hui de créer une belle vie professionnelle avec son master en communication des entreprises. Ainsi, il espère garantir une vie meilleure à ses futurs enfants, leur offrir ce dont il a manqué. C'était le portrait de Oga le Slammer réalisé par Ismaël Adjibou. On fait une petite pause et on se retrouve juste après, n'est-ce pas, Siano Oui. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, retour au studio. Fanta les dépenses ostentatoires dans les cérémonies de mariage sont, euh, est le sujet abordé dans le loti de ce jour, n'est-ce pas oui, c'est non. Le plus souvent, la charge retombe sur le futur jeune marié qui, pour se plier aux exigences de sa dulcinée, pourrait être contraint de s'endetter. Quelle explication, pour ces dépenses <laughs> La réponse à suivre maintenant avec Zenob Abdaminata Boubakar et Ismaël Aruna. Affairage, affairage, affairage, affairage. Général bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. Hum. Vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. C'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. To, maintenant, c'est quoi le problème? Hum, hum, cousine. Le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement. Mais pourquoi faire autant de dépenses Ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Et appelle-la, je lui parlerai personnellement. Mais c'est quoi ces manières Allô Oui chérie, comment tu vas <laughs> eh, Justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît chérie, on en a déjà parlé fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que euh, ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé, hey, chérie, Bani, non Hé, eh, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis il faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. je ne vais jamais te hey, Passe-moi le téléphone. Mm-hmm. Belle sœur, nous te comprenons. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Est-ce toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément Pourquoi c'est à moi de les combiner si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans des bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle soeur. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire informé tout le monde. Ah, ne t'en fais pas, ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces. En annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras, ma belle, comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée. Ça nous empêche aussi de faire beaucoup beaucoup de dépenses avec les trois tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi, chérie, d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi, frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi, merci à toi également, belle-sœur, pour la compréhension. Tout. Puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur. <laughs> En tout cas, ton idée n'est pas mal. Ah, ah ah ah, vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, d'abord, Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi, je t'aime, bisous. D'accord, chérie, fais pareil de ton côté. A plus. Belle sœur bye. Bye bye. Voilà, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Il est 11h passé de 43 minutes et il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Oui, dans la rubrique rose d'aujourd'hui, notre chroniqueuse, Toi Fanta, apporte le secret de la préparation d'un des parfums traditionnels préférés des femmes qu'on appelle les de minuit, communément appelé Madara. On vous laisse apprécier. bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Tout comme hier, nous restons à Agadez avec notre spécialiste en parfumerie traditionnelle, Maimouna El Hajrabi. Dans la rubrique rose d'aujourd'hui, elle partage avec nous une recette de l'un des parfums les plus utilisés et les plus prisés par les femmes nigériennes, le fameux lait de minuit. C'est ce que beaucoup d'entre nous appellent communément Madara, qui veut dire lait en Hausa. Et c'est sûrement à cause de sa texture laiteuse. La particularité de ces parfums, c'est surtout son odeur légère et florale. Allez, trêve de discussion, on écoute la spécialiste. to kin san madara ita wagga in zakinta akwai wani turare na na ana ce mishi mai yana mai yana ake ce mishi to shine zaka samu guda ka samu lovilia lovilia wannan kowa san dai lovilia adadin yanda kake so kai shi wanga mai yana ba duka kake sa shi cikin madara ba sai ka samu kuma turaren ka wanga mai ake ce mishi ode ka same shi kama akwai ode rush akwai marakana akwai amandin wanda dai ka gani kamar oje kola wanda kamshin shi ka gaina kana jin daɗin shi kana son ka shafa shi mm-hmm. to shi ne za ka yi kamar in ɗan kaɗan ne za ka yi kana iya sa loviliya guda biyu shi wancan mai yana kana iya ka buɗe murfin shi ka sa kamar murfi biyu sai ka gama da su cikin wani ɗan kwalba hakan ga sai ka buga ka buga za ka ga yayi kabri ka ga kamar madara yayi fari bes sai ki samu kuma concentrate concentrate kuma sare fan da irin wanda kake so concentrate akwai wanda zaka samu ka sai har na san kimil ka zuba cikin madaran nan eh akwai wanda zaka samu na 2 mil mil san san mil fran iya dai kudin ka dai iya shagalin ka shine kenan ita dai madara ga yadda ake ta loviliya da biyu zaka sawa ana yin hatta da goma loviliya amma wannan mai yanakin shi ba a sadewa in an bude cikin murfi da biyu ake sawa in da ne kana aika sa murfi uku murfin wannan mai yanan dan turare ne zaka ci to ban san wani wata ƙasa abin da ake kiran shi da mm. shi ba amma dai mu dai nan cikin agadas mai yana ake ake yin shi murfin shi kuma yana nan kamar na ori ba ne yake mm. yana da dan faɗi in na oliviliya goma za ka kana aka sa murfin shi ɗafuɗu ko ɗabiyar biyar mm. in na loviliya biyu ne kana aka sa murfi biyu to kin ga sadi fa kenan kana iya ka kwatanta yadda za a yi amma dai ba a sa shi duka in an sa shi duka madaras sai ta cire to daga baya in ka yi da hada shi yayi kabrin nan sai ka samu kin ka masu daɗi sai ka zuba ka buga kawai ka ashe Voilà les filles, c'est tout pour cette euh, série de rubriques roses parfumées. On se dit à la prochaine pour d'autres nouveautés. Restez câblés. Ciao ciao Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique rose, tout en espérant que vous avez aimé. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame au cours de l'un de mes voyages à Agadeza. Voilà, alors euh, à présent, Fanta, découvrons euh, la recette culinaire. Oui, c'est nous. Aujourd'hui, dans la rubrique euh, recette culinaire, nous nous sommes intéressés à la préparation des feuilles de corette potagère, ce qu'on appelle fakoufoy. Madame Goumour Amina Abdou, promotrice euh, du service traiteur Isikida, nous explique euh, qu'il y a deux manières pour la préparation de cette sauce. On l'écoute. Je vous propose aujourd'hui la sauce faite avec la poudre de feuilles de corette. Donc euh, pour cette sauce, le plus important, ce sera la cuisson. Je vous conseille de laisser cuire longtemps, c'est ce qui donne un bon goût et permet aux feuilles de corette de libérer tous leurs arômes. Vous allez commencer par préparer une sauce ou un bouillon avec de la viande, la viande de votre choix. Vous pouvez mettre aussi du poulet, c'est original et ça change. Vous faites sauter votre viande, vous rajoutez des oignons émincés, un peu de tomate fraîche. Laissez cuire jusqu'à ce que la viande commence à s'attendrir, puis rajoutez de l'huile. Faire sauter quelques instants. Si vous aimez la tomate concentrée, c'est le moment de la rajouter, mais ce n'est pas obligé. Vous faites frire encore quelques instants. Rajuster un peu d'eau, ajoutez un mélange d'ail, piment frais, sumbala pilé. Vous allez encore laisser mijoter quelques instants en surveillant. Une fois que votre sauce est bien compacte, rajoutez suffisamment d'eau et versez votre poudre de courette en fouettant à l'aide d'un fouet manuel. Diminuez le feu, couvrir à moitié et laisser cuire pendant au moins deux heures de temps. De temps en temps, venez remuer pour que ça n'attache pas. Plus vous allez laisser cuire, plus la sauce aura du goût et sera encore plus bonne. Euh, une fois que l'huile commence à surnager, vous pouvez servir avec de la pâte ou du riz. Et pour ce qui est de la deuxième méthode la sauce de courette avec des feuilles écrasées, pas pilées. Donc on va commencer par trier les feuilles pour retirer toutes les impuretés. Ensuite, vous allez mettre un peu d'huile et écraser vos feuilles à l'aide de la main. On a besoin de brisure, mais pas d'une poudre très fine. Au fur et à mesure, vous tamisez et vous réservez de côté votre brisure de feuilles de corette, focou. Vous les réservez. Mettez un peu d'huile dans une casserole. Rajoutez votre poudre de focou. Mélangez bien à feu très doux. Une fois que vous aurez une bonne odeur qui se dégage, rajoutez un peu d'eau et laissez mijoter. Pendant ce temps, faites cuire votre viande ou votre poulet avec des oignons, de la tomate, de l'ail, du sumbala et de la tomate concentrée si vous en aimez. Je n'ai pas mis d'huile parce que le foku contient déjà assez d'huile. Une fois que votre bouillon est bien fait, vous mélangez la sauce de courette qu'on a fait frire, mélangez bien à l'aide d'un fouet, laissez mijoter encore 30 minutes et servir chaud avec du riz de préférence. Voilà, restons toujours en cuisine, chers auditeurs, pour découvrir d'autres recettes avec notre collègue Alamine Wachar. Alamine yani da dama? Da dama wallahi, kina lafiya? Alhamdulillah, Alamin yau da wata tsaraba ka shigo studio. Yau tsarabar da na zo muku da shi shine yanda ake dafa shayi. Shayi dai sanin kowa ne al'ada ce ta Abzna ko Tubawa ko Laraba ko bare-bare. Yawanci su ne suka karfafa wannan al'ada ta shayi shayi kuma yadda ake tsara shi na farko dai ka kasance ka samu gawayi mai kyau kuma ka samu sukari da haki ka zo ka haɗa su wuri guda kana da ruwanka tsabtacce kuma da muhalli tsabtacce e, eh, cikin al'adarmu dai ta abuzna ana amfani da ciku kayan ake shan shayi kuma ga abubuwan da yadda ake tsara shayin shi da kan shi ya kasance abubuwa ne daban-daban akwai shahin da mutane eh, na gargajiya ko mu ce na gida suke yi wanda ba ya sha bamban da mu na gari muke yi saboda a can ƙauyuka in ka duba shayi in an ɗora shi tashin harko za ka ga ya samu abun nan tafasa harko shi kenan ya, ya gamsu amma ga nagarin shi tafasa sai ya tafasa sosai kun ga bambancin kenan amma mafi kama mutum da ciwon kai shine wanda ke tafasan nan guda e kuma ya danganta da lokutan da ka keɓe mishi shi shayi in dai kana shan lokutan da ka keɓe mai innan lokacin da ya wuce ko da da misƙala zaratin ko mu ce minti biyar za ka ji shi ya kama ka to yanda ake yin shi dai dai kana son kar ya kama ka kuma kun san komi yana ta da zamani a lokacin da muke ciki yanzu ayyukan da muke ba su ba mu dama mu tsaya mu ɗora shayi da gawayi da sauransu mm-hmm. amma akwai na'urori wanda ake sarrafa ruwan zahi in aka yi ruwan zahi sai ka zuwa bisa hakin ka hirhe shi da sukarin da komi mm. ka kaga ka ba wani ɗan lokaci sai ka ga shahin ya kasance yadda kake son shi kuma abubu ne wanda yake da amfani ga jiki mu eh, tun ga yarinta ana ba yaro yana ɗan lasa in mamman shi ta sha sai ta ɗan lasa mai to daga nan matasa na suke shiga shan shayi takaice dai zan cewa shayi dai yana da muhimmanci sosai cikin al'ada abzina musamman in kana da baki da sauransu kunga yana da kyau eh, a san muhimmancin shayi cikin neman kwanciyar hankali ko mu ce eh, abin da zai kawo jama'a su fahimci juna abin da zai shayi yana cikin abubuwan da suke kawo Eh, fahimtar juna ta kuma ana yin shi ta hanyar da za a samu neman maslaha tsakanin wasu sashe wanda ba su fahimtar juna cikin gari ko tsakanin abokai ko tsakanin iyali da sauransu. Eh amma shayikin nan eh, haka ne za a sha shi ko sai dai an ci nama paske kun eh, ya danganta ya danganta shi shayi ga mashayin shi ba sai ya ci nama ba amma ga al'ada ana amfani da ciku in babu nama ko hmm. a yi gyada kamar fulani kenan Prochainement, nan ta ake <laughs> Merci, euh, cher auditeur. Voilà, j'espère que vous avez pris note. Retour au studio pour euh, écouter la culture linguistique en full full avec euh, Ali Niali. Il nous explique le rôle des sapeurs-pompiers. Bonjour Ali. Bonjour nous Comme vous avez dit, notre mot du jour aujourd'hui, c'est le sapeur-pompier. Donc euh, le mot a été expliqué ou l'expression a été expliquée en français, en germain et en... aujourd'hui nous venons pour le faire en fulfulde. Mm -hmm. fulfulde ni ko bi ata saper pompier Den darini ni heube hewbe no kawra gollude jungo der jungo Der ir gollobe ɓe ni fa no limte mbi'eteɓe saper pompier saper pompier ɓe enden ni fahande so sogeji no di filla yifude hite gulu de himbe saɗornande ni wari he maɓɓe misali de goɗɗo saami nder gayka na nder ɓundu na no tefa yolade nder maayo na de bononda loore waɗi na bononda laawol nden sapere pompien en no nodde ɓe gara wallude ɓe bononda ka en dan hewti sapere pompien en ni golloɓe noon walliroɓe yimɓe nder cakantaraje mumen allah suru gacce de ni saɗorna heɓake misali gulu bononda loore goɗɗo saama nder ɓundu nder gayka nano tefa yolade dow ko yawi nodde lamba sappo e jeetati ɓe garan faabade on miɗen cembinɗina on duni fa handen ko watta durwon surude ko watta to gulu waru e moɗon na accon suka sama e gayka kettinoɗon du fa handen sigilaji niger surkalangu Merci Niali pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ay noti sita noti koyo euh, hangan dama irsi kattile bir fas haro hino yergama donc dinna irvane poste da kattile bir e eh, eh, radio te bon sebon kulirga du kolongu e eh, vicir kulirga en formation kulirgi hangan za fulancina za e eh, faransa za zarmucina kulirgi hangan sijere ko kanir ko zama radio kolongu labar nirgama kan irsi mari non kul e kolongu labari markirga bare da bursi ba mo imbisenga wasa wat kukan lokaci to irga lakkale ki hangan halin bori o kango mot kam miso godanoya bar mi yonka kan de ti honkuno oke ir gonda bon fere la mai kul kango te labari kul kango kan labo jarjarara ka kan ka tun kul ir gogo duwa labari mu a wasade zama adim kan kun borsi du labari kun siga ba hune o sigira kan o ke mi labo akan sai irba irbar mi warnoya irwe ke wokan idduwo de anir wasa zama kolongo hinno irgo de kan sigira kagote agogo federa yofo yarin ga alhamdulillah da wakir wadu illa bo kallir gomo borfon zarmaci ne gama borfon fulanci ne gama borfon billaci ne langa di me kunno irgo gama kan kan kande da labari wo kulkan ici ne kuliga ci ne wono wo kan iru sabunda irwe ke dirga du da sigira da hali gonda tontoni fo kai ga baya sai ma tonto amma woken ba wani wakan idduwa irwe anir wasa guwa labari kulkani ma ma bai kan tabbantano ina dahiran dino di mana dahiran di isa sambar kalangu asabu sai no hunkuna irgoga farhan din ne kayan wani gol ko mino ra kayan kalangu dai no irgoga hangan gum sanda labarai ki ga borno ya din ne hangan ni ga bai dai kai wallahi go gogoi da kimi bai ga tamme ni kyarsu banno ga na hankan gai ki kula an borai bejandi asai no radio kalangu fatta ko minora no isaki ide isido kalangu matno godi isigira wallahi isigira tali hangan Igogini gini hangan da gabi paske bon hangan du bon fere bobu kalangu kan radio bumbora aseni hangane yanga kanisi kursi ni kansi kanisi lakka noga didi ya marenga kigi te borese nguno ga kanir segumo sido kalangu ga sabi se kini ga sabi se zari iko mal barka da igo tere ga ai gonda sabiyan mo kai ga to nan dido wana wana wai bore jin ko yan fondara ki yo wai bore ga kasine da sanko to bandai di himana ido hare wodin se dani go kanai se ima kokari se irmo irwe bore mi se de banda ir ko mi di se ir ko ribu di bu jama ci kan wai boro gonda Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin du Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Fanta Shamsou et moi-même Ali Munkela Ouseni Di Seno. On se prendra, Inch'Allah, le samedi et dimanche dans Toussalafada Fada avec la chronique de Tous Fada et nous allons parler euh, du processus d'un mémorandum. À la technique, c'était Mustapha Ayuba et Raila Toussoumana à l'édition. Excellente journée à vous et bonne rupture de jeûne. Bye bye.